mercredi 19 juillet, fidèles auditoires. bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Mariam Ade. La technique est assurée par Bunga Lastar et Adam et Fanta Shamsou et à l'édition. Mariam, bonjour. Bonjour Sally, comment tu vas Super bien. Qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Dans le Niger le Kalangu d'aujourd'hui, Sally, il y aura un flash d'information du loti avec les femmes du studio Kalangu, du sport, de la culture linguistique. Et pour le cours des régions, nous irons à Tawa. Et pour terminer, on va écouter les messages de nos chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet, premier jour du l'an musulman. Bon début d'année à toute la communauté musulmane et comme invité, nous recevons le roi de la Saba, Issoufou Oumarou, alias Lomega. Il évolue dans le genre de musique hip-hop. Nous vous invitons à suivre notre flash d'information avec Nefissa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam, bonjour Salamatou. Bonjour Nafi. Euh, quelles sont les actualités Alors, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République entame à partir de ce mercredi 19 juillet une visite de 72 heures dans la région d'Ottawa. Bazou Mohamed procédera entre autres aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle usine de cimenterie de Badigishiri dénommée China Africa Building Material, la réception des tronçons d'Angone Ilela et Tawa ainsi que le lancement officiel des travaux de construction de la voie Chintabaraden à embranchement Tabalak et celle d'Abalak Tabalaka. La Banque mondiale apporte un financement additionnel au secteur éducatif nigérien d'environ 137 milliards de francs CFA. La signature de l'accord de ce financement a eu lieu hier à Niamey entre les autorités nigériennes et la Banque mondiale. Cet accord de financement additionnel a pour objectif d'améliorer l'apprentissage pour des résultats en éducation au Niger. L'objectif global du projet LIRE est d'améliorer l'accès et la qualité des conditions d'enseignement et d'apprentissage au Niger. Environ Enfin, environ 290 points d'eau modernes vont être bientôt mis à la disposition de 300 000 Nigériens des régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zender. Un projet financé à environ 2 milliards de francs CFA par le Centre Roi Salman pour les secours et les actions humanitaires. Le lancement des travaux a été fait cette semaine dans le village de gessé département de Walam. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons Issoufou Umaru alias L'Omega. Il évolue dans la musique hip-hop, artiste, auteur, compositeur. Bonjour L'Omega. Aran Bonjour Kanbani. Voilà, mais avant de vous donner la parole, écoutons Saïda Haushi pour le plaisir de nos auditeurs. Yeah, uh-huh. whole shit, say the If I don't know, uh huh. I'm a long way God, say the whole I'm a superstar elite, say the What will I say? Say the MC, when you fall, say the whole Tocaram bem, é o

c'est seule phrase qui fait peut m'inviter MK pour bon quoi. C'est le bon quoi. Hein. Et pour faire des émissions quoi. Sinon c'est pas le flex. À part lui, il n'y a pas. Nkuru moni ka kalangu. Et ka kalangu quoi. Waouh. Parce que vous m'avez invité, c'est une personnalité, c'est normal parce que j'ai du respect envers les femmes. Merci. Ouais, donc tu as dit quoi. et c'est oublié. Parce que je connais les animateurs. Là, ah, tu me connais, Bunga, parce qu'on a commencé dans les mains de ones ne in daga lala nyai zo ai man daga lala me nyai wega fotu roxima kache nono laspedo kache laba ni lo maiga nache ala che nan ai e uban se de haushi che nan ai e uban se de zafin haha inega hino nyaizo hey inega rubu nyaizo hey inega pama say the how she say the how she I'm a long guy, say the how she I'm super leak, say the how she roi de la sape say the how she MC mon niveau say the how she I'm a long guy, say the how she I'm super leak, say the how she roi de la sape say the how she MC mon niveau say the how she Bere kwenye goga refrain Ate couple c'est nul Dega aramba parmay aramba Des petits MC bon bloc crew comme MJ Y'a des rappeurs qui sont trop sales mais qui rappent bien. On beaucoup de blagues. Hein. Donc, quoi Manali Touré. Donc, quoi Nan Dokorotea. Ujetir Bomone. Comme l'Omegay. Le Simplicity. MC, I Ayuno, Mr. Mega Nigga Baga. I'm Long Mega, c'est des house I'm super stylé, c'est des house Roi de la sape, c'est des house MC, niveau, c'est des house I'm Long Mega, c'est des house I'm super stylé, c'est des Haushi. Roi de la sape, c'est des Haushi. MC au niveau, c'est des Haushi. Oh, c'est des Haushinga. Mikake, Vaskanu Majase, Gouda. lomayga doono sayda hawshi doonuno kanga tew koson guguma tew ma gumnya mayra ni inga cirse jir fuchuno dono wonin katare dono an en an 2019 nigin to ifo sano nina nina titro o suban ifo ka sai da haushi ifo ni ga banim ci c'est l'homme ga ko de kay bisa ga ka ino bon bono kayan isma kani mais ay deno ko et ni be de la vie moi mon secret c'est que ay kande bon seno quoi ay ba fona si bo fomne ay kan ay kan non non non pour commencer ay kande bon seno quoi ay des bon validés dès qu'on aura mon connaît dol bloguer de quoi parce que ay no quoi c'est l'homme gars do dai kitilon mai ga lon mai ga ita civil amaka kala isifu umaru jibo et ay blazo asengé lon l'omega. ga lon aujourd'hui il faut signer lon souvent il faut signer c'est lon parce que mai c'est mon surnom ah, yan gano mai ga no et il l'a aussi kala dan chandu mais wato quoi comme c'est un gendarme donc c'est l'ami c'est l'ami intime à général Isfamega de la gendarmerie aikin ba hani aka ane min dise mai gam tinga makoni sinon mon mauvais no c'est fou donc le général Issoufou mega c'est l'ami intime à mon père mon père aussi il était gendarme donc ane dinga c'est mai gam tinga makoni quoi c'est pour ça quoi on note lo maiga de lo maiga za wat fo tuno ni sentin kudun rapport en sentin 2002 yani ga 2002 ga ka hun kuna gonda jiru waran kacin dufo jiru waran kacin dufo wa to lo maiga ik bayrum be albumar yono gwaran siyan kuna non ai le album faux quand a été bon a bay tango quoi il commence à dire yafa fanflex c'était il était et il restera toujours Badekan Assine aujourd'hui le meilleur animateur du Niger. Fanflex c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, amitié monafiki. Ngo Kasba, Borek quand Boresiba Ngo Nagba quoi. Donc euh, quand j'ai fait euh, mon album, j'ai présenté quoi en 2000 euh, je pense en 2005. 2005 j'ai présenté l'album quoi harga son ay album quoi il te deno quoi son que te son quoi bi c'est fini quoi et euh, de album mo son margen gara album bo agonde 800 mais son donne comment c'est bagum quoi est-ce pas à d'autres à d'autres à d'autres quoi parce que j'ai tellement de sons qu'est-ce pas à moi c'est quoi des album ni do nay matano ni gi kada tanga matan da matano ni te gi ni rabute ni proper stilo ni wonno matano ni mangano idai igi funnisi N'oublie pas que ma mère aussi, euh, la vie elle est artiste, quoi. Elle peut chanter à tout moment. C'est comme ça que je suis aussi. Je peux chanter à tout moment. Mais en cas de aussi la musique est artiste, eh, comme les Lomaïga, comme les Honnêtes et les métaphores des autres. On n'est pas hypocrite. quoi. On n'est pas prêt, on ne, sera, on ne sera jamais prêt aussi pour être international. Pourquoi Parce que les artistes, beaucoup de quoi, leur vie, c'est pas c'est pas ce que nous on mène aujourd'hui les artistes cargo di star international ni kwan fam iba ko c'est des PD gele jinga nyanga gele jinga baba ino donc nous on ne peut pas devenir comme ça on n'est pas prêt pour devenir superstar international on est star chez nous et alhamdoulilah on reste chez nous parce que Euro MCN quoi on connaît la vie on veut on veut et il connaît quoi on n'est pas pour Satan c'est on a dans notre 10 ans il faut 20 ans il a annoncé quoi que tu brilles pendant 20 ans tu brilles pendant 10 ans et après ça c'est fini quoi nous on veut pas Iwana, quoi. Nous, on veut pour Dieu. Ah, sinon, on est toujours là, quoi. Notre vie, c'est le style, tout le monde sait. Issa Niamey, c'est le style. Et mon nom ne peut pas présenter. Ba 57 no kané au Niger. Daka ay nigbe quoi. Ils ont nigbe kano nigba 50 cents. Et ayo colongo radio donc euh, ici <laughs> beaucoup de bekestar quoi. Amérique manchi néobo Amérique non est validé pas ici. Quand j'étais aux États-Unis, les gens m'ont validé Amérique. Les blacks américains How haude fata kwa ege some video no est-ce que inge inge som video quoi inga so ba mot kan hauda kwa da bu no ya yad no quoi et je me rappelle bien en euh, le 31 décembre 2019 j'étais à New York dans Times Square à New York ego kwa dans Times Square day bista quoi je je no haude kala haude di quoi parce que pourquoi ego quoi j'étais toujours en, tout en blanc nego quoi que bisa quoi me dit absolument nego yeah man you look good man you look good i like your shoes i like your shirt i look voilà kulu kuwa da bisa ko ndisibe quoi kuwa juru nego makani mais me niger ngi sibe quoi me we makani quoi parce que je représente le niger là bas quoi nen niger mayo et que bay ka aro black no africain misbe mana fun quoi ego jiri kuwa misbe ne kefun kuwa boy samu video boy samu yo you have nice shoes tout ça là quoi alhamdulillah quoi to asino c'est charge quoi ay eh o e kande bon c'est quoi j'ai pas besoin que bo faut me valider quoi ay eh, ne bon valider quoi machallah et puis ko ne o asi goida munafiki animateur quoi <laughs> bora bora c'est sindeno quoi quand indak matem go quoi comme se ma fan flex n'est plus là Amina, amina, amina, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, l'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec de la bonne musique pour vous faire plaisir. Nous allons faire une deuxième pause musicale en live avec notre invité du jour. L'Omega. Tu nous proposes quoi et Aïcha. Aïcha. On kiffe. Hein? Ouais. Parce que Aïcha, pourquoi j'ai pris les soins Aïcha Tu sais que toutes les Aïcha sont belles Aïcha Ma belle. Et Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, yarinya kyarkyawa ita Itake aisha aisha ina ganta akali na ya kwanta أشياء مالما عيشة قاتلنا الأمانة أشياء مالما عيشة قاتلنا الأمانة عيشة قاتلنا ثابتة قاتلنا ثابتة عيشة كلهم دارية Zina, Ria, Aisha, Ankali, Amana, Danura, God Black Woman, Aisha. Hey. Eh. Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, C'est une très belle femme. Toutes les Aisha sont belles, je sais pas pourquoi. Aisha. C'est pourquoi Bunga aime, lui aussi, il aime la Aisha. Ah ah ita ce aisha aisha ina ganta akalina ya kwanta non bunga ga a ina ina ami aisha wato din ko expression wato kan irgo avec les fan flex mun ina ami aisha aisha my love aisha my king aisha my head Aisha, my city girl. City girl. When I see you, Aisha, my head is happy. You know that, Aisha. Aisha, my love. From Block C. Ones Kangalala. Aisha, Aisha, Akalina ya kwanga yarinya kyalkyawa ita aisha aisha ina ganta akalina ya kwanta ashiya malama aisha gatanan al'amana ashiya malama aisha gatanan al'amana maiga mainu ti aisha kan senin doni kana donc no kan elle m'a fait du bien parce que ego gwen fono kwa inda du video kale ka go nogo da kwa parce que gwen kwa tamu dirgnera iner tamu irgnera fula irgnera sentira kwa donc une inda video d'abord faut portable bon quoi kul c'est quand kwa tongo ni ko dubai na ko dubai kula kanese se kwa yan hein, se tamu akanese sentir tout ça là quoi de hein, quoi digune et puis c'est une fille elle est, trop naturelle. Parce que moi, j'ai toujours aimé les filles comme mon Tousou quoi. J'ai toujours aimé les filles naturelles comme mon Tousou. On dit comme mon Tousou quoi. C'est les plus belles femmes au monde. Aïcha mon Tousou, Aïcha, elle est naturelle, beaucoup de Et puis, elle sourit bien, elle est propre. parce que wodi kuka mutu zuko ali propre yani ga ni ma aisha ali propre ni ma kai banan da gwamni ga lokaci dono kan ni tasi parce que aisha ai ga gunno ko ai mantum ko ai kurkin ga gano ko ai na tum ko nin dekrir ai dekrir nin iskani ai na kulte ko et puis ça donner aisha ko ah, ni warka mara ko amay dami ila talanta son kai gani ai te ko et puis tu vas la ko me ko lomai ga te lokaci yan ni daren yamai ba ku sabai nan kan ni go abur ben ah no dir ne bore se bainan kan danga danga danga irsi gama ni musique kai de musique zen irgin bai mangano ni furo l'artiste ding banim fok top artiste ding banim be kanama che ko artiste kunum fata be kul kan be kul kan be kul kan izano dingo ni labora tu ne vis pas et dingo labo ni quoi tu vis pas be kanno quoi on kona be kul be kan bazum il président quoi da Koy, Lomé à Matiakoulou. Son famille est Iriamaino quoi. Aujourd'hui, on a dit à Adam Seigneur comment il est fini. La Kakanese, ils sont partis aux États-Unis, mais ils ne produisent rien. Asinu Ban dira artiste dira quand taré Tare, Kanti, Asino. Donc quand j'étais aux États-Unis, c'est vrai, ne Matiakoulou quoi, parce que système de musique, ne Matiakoulou quoi. Et ne Matiakoulou quoi, parce que c'est nos badam dans musique. Mais oh, quand même, je travaillais pour moi. Avec quoi Studio, j'ai fait trois sons. J'ai fait des sons Hinka, et des sons coin mais j'ai j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai fait 3 ans, 3 mois là-bas, en de, Amérique. D'aimé, tu Jaf. Jaf Kongo Lakakane. Ah, Lakakane. On va me gogo bafuna ino e jenu. Donc, attends, c'est quoi Son Hinka, Isujara, Aïe Sofo, no fo moukouene, Soke Tino Fono Ngena Aïka. Mais j'ai pas aimé, Aïka. Mais quand Aïka Niger, elle m'a dit que qu'elle j'ai fait mon deuil d'abord 40 jours, après deux jours, Afri Studio, un mois, elle m'a dit qu'elle a 13 sons. Un mois là. Parce que, il y a pas de bail en Kano quoi. T'as rien, c'est bien en Kano. N'y a pas de bail. mɛ kulu kan go tarai mm. dingo america dingo europe dingo shin dingo dubai dingo turki na de kan gwan dunyara dan nisin labora kwa ni yamu kula fala parce que nisin kan nege ba nisin wa kan ba wat kun go tugu kwa ni vieux kulu goyi fu goyi fu no alors que kimo si kan fu il kwara ne wo je to son kan ni ye kan na ka dono ni gonda goyan kan ni gona gati Ah, mais j'ai fait du business avec des boutiques, quand avec une bancaire, tout ça là. Donc, voilà. Et puis, il y a une radio qui est là. Donc, euh, à coup de gondes, quoi. a gonde ni ko ne il faut tin comme bagaxina, sina ni comme kan comme katala ne la eh? mhm. et et ay kan quoi, mdouga duga jeune jeune go dirbi il faut que il me jirbi quoi parce que il y a deux mondes il y a le monde des rêves et il y a le monde du combat tant que tu rêves dès que ban quoi extérieur n'a quoi quoi nous rêver chaque jour même quand tu gagnes million il y a mono quoi parce que nous dit quand avec nous de quoi chaque jour tu gagnes million nous dit quand avec nous de quoi million quand vous chaque jour aspire n'est quoi pourquoi parce que tu as un rêve quoi nous go dire fauteuil nous go dire vidéo nous mon nous ban dire quel côté regarder quoi alors que din quoi nous bekam tchekuno quoi million quand nous chaque jour nous dit quoi agabiringa ringa doji din quoi chaque deux mois nous go doit gagne biside quoi c'est ça le monde de rêve. Le monde du combat aussi, tu vas, tu vas rester chez toi pour combattre, pour que ça marche. Écoute, quand tu connais, les gars gaï les gars d'Anar Kerakwa, Agmaché Mokone. Donc tu vois, c'est ça les deux mondes. Bon, quand ils vont combat, ils vont ont des étages, ils ont des, ils ont des marchés, ils ont des coulées quoi. Watkan Harkatc, ils ont des passeports diplomatiques, ils ont des passeports de service, ils ont des Amérique, ils ont des Ankara, Borego, ils ont des Europe, ils quoi. Donc tu vois, à ce moment-là, donc j'ai dit à tous les jeunes, que nous sommes la relève de ce pays d'autres hein. hein. ils sont finis ils ont 66 ans 70 ans et eh, il 10 ans il n'y a pas nous sommes la relève de ce pays dira mais nous géré on connaît les enfants de nos jours les enfants de 15 ans 16 ans 7 ans et eh ben cool wani ya fa ihai alors c'est kwaya shisha e eh, chini akulu mais dirmana dirmani hagoy mais le doti d'autres leur vie c'est aller signer les cachets les signer prendre l'argent mettre dans leur poche et après après il n'y rien c'est nous on voit ce qui se passe au pays ils ne pas qu'ils vont passer Niger quoi donc Yann Gadol faut quand même tu vois quand on un BD quand vraiment il a une ambition pour le pays quand on moins ça il ne pourrait pas quoi parce que nous on fait pas de politique quoi et tout le monde était fort et c'est quoi ça quoi

windi qu'on digune agonda windy waranka exemple agonda parcelle besoin bozongi quoi chaseze quoi agonda comptera centaines de millions nin tu n'as rien et tu suis toujours boro quoi sinda mais wat kul quand asino parcel asino windi asino mais bandi ya wala ya wala nous ne me quoi donc je vais faire en sorte que j'ai un économie tout dirbi quoi ok quoi matière no quoi ça c'est quoi parce que tant que tu travailles pour toi-même ne pas parce que nous nous quoi que tu peux rien dire parce que nous quoi Nigo bɔra banden ni filan dɔn fakare ka jija ka filan <laughs> parce ko dego kuwa abugu sendoko tele arajo se koma iko fa dɔ fa paseke pap de donc zafan kasi que anige te kalanku bon vraiment ay dase ay garan ay garan encourager parce que quoi vraiment c'est bien

Arne invité no quoi. Donc euh, a programme Arne programme on sino, il programme no quoi parce que il no il no invité quoi. <laughs> Ah mais il programme no. Arne ah, programme il programme Non écoutez écoutez écoutez ah, et eh, bon Arne invité quand <laughs> beaucoup de bas et manque à quoi. Donc ah, une sourou une sourou une une sourou Je n'oublie jamais Bunga la star parce que aujourd'hui à l'époque Bunga ce qui Bunga nous a fait Bunga et Fanflex ya Oudar Sunde on dit quoi. Parce que beaucoup ne disent pas quoi. Nous quand on a commencé, c'était avec uh, Bunga. Zafan Flex Tala c'est Zafan Flex Bunga c'est Bunga Bankati quoi. Et Bunga nous a fait la promotion comme Flex. Bunga vraiment il comme bana. Amin amin amin. Bunga il comme alomar. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup l'homme Maïga. Merci beaucoup Irgin Fondo Goïda Touyan Okaneka Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou pour poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdo les changements climatiques constituent un problème complexe, bien qu'ils soient de nature environnementale. Ils ont des conséquences sur notre vie, telle que la sécheresse prolongée en Afrique subsaharienne, la montée des mers qui augmente les risques d'inondation, la production agricole et alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Comment comprendre ces phénomènes et comment y faire face Suivant ce reportage de Abdul Kader Amadou. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques définit les changements climatiques comme des changements de climat qui soient attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale. Et à cela qui vient s'ajouter la variabilité naturelle du climat observée au cours d'une période comparable. Sani Ayouba, responsable des jeunes volontaires pour l'environnement au Niger, nous explique. Le changement climatique, c'est vraiment tout changement ou modification du climat qui soit dû à une activité humaine ou qui soit vraiment euh, une modification naturelle du climat qui altère la composition de l'atmosphère mondiale et qui fait ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Quelles sont les causes de ces changements climatiques La première des choses, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Euh, le phénomène d'effet de serre, quand on arrive à comprendre ça, on comprend aisément que c'est une bonne chose qui permet de maintenir une température viable sur Terre. Mais aujourd'hui, du fait qu'il y a trop de gaz à effet de serre, du fait des activités humaines, cela perturbe un peu cet équilibre qu'il y a que joue l'effet de serre. Pouvez-vous nous donner ses conséquences Quand on regarde, on voit qu'il y a une élévation anormale des températures du globe un peu partout. Il y a beaucoup d'animaux qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Également, quand on regarde aujourd'hui des pays tels que les nôtres au niveau du Sahel, dont l'économie se repose sur l'agriculture et l'élevage, et que ces derniers sont tributaires d'une bonne pluviométrie. Aujourd'hui, il y a peu de pluviométrie. Il y a des maladies euh, qui apparaissent ou bien qui deviennent de plus en plus virulentes, telles que les maladies climato-sensibles. Euh, de l'autre côté, au niveau des zones polaires, il y a les glaciers qui fondent. Vous savez les conséquences quand les glaciers fondent. En plus des animaux qui vivent au sein de ces zones, qui vont perdre leur milieu naturel, c'est également l'élévation des niveaux de la mer. Et quand le niveau de la mer est élevé, donc ça veut dire qu'il y a des villes qui vont en pâtir. Quel appel lancez-vous à l'endroit de la population Chaque action qu'on est appelé à mener, on doit imaginer quel est son impact sur l'environnement et comment réduire cela ou bien le tort qu'on cause à l'environnement, comment compenser, quelle autre action on peut mener pour compenser. Donc c'est pourquoi nous invitons tout le monde a planté suffisamment d'arbres, à réduire notre utilisation de bois, même pour les besoins énergétiques, à utiliser des énergies alternatives et à contribuer, en plus de la plantation, à l'entretien des arbres. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Mariam, faisons un autre tour musical avec le groupe Dak Ténéré. mene jaastiin teeru. Kuudaween nakaalee nakaakaleen tabaarus. Nakaakaleen tabaarus. Mene jaastiin teeru. Asii deegtee rakkaalee nasuufinne si hiddoosaan. Nasuufinne si hiddoosaan. Tendee dumnaa saddeqitee. Kuudaween nakaalee. Pedras Mineiro. This is est un groupe d'artistes Touareg créé en 2016 à Niamey. En effet, la guitare et d'autres instruments musicaux sont souvent utilisés dans le blues du désert, le style touareg le plus connu par sa mélodie qui repose uniquement sur la voix et les percussions. Les chantres qui au cœur de ces histoires et imperturbable devant le son tendés, sa diction est correcte et les notes qu'elle exécute sont tranchantes. Pourtant, le travail qu'elle réalise est techniquement difficile. Chanter et jouer d'une percussion simultanément, le cœur qui la soutient est aussi irréprochable dans ses réponses, qui ponctuent harmonieusement les différents vers du poème. Pour la réalisation du SWAT d'Acténéré a sorti le tendé construit à l'aide d'un mortier sur lequel est tendue une peau de chèvre avec deux lampulons en bois, mais aussi à euh, labo sorti de tambour à eau fabriqué à partir d'une calebasse. Le son des instruments a été admirablement capturé en acoustique par Nomade Musique qui s'est chargé de la production du single. Voilà, chers auditeurs, c'était là. Ténéré, espérant que vous avez kiffé. Mariam, c'est comment T'as aimé Mariam Ouais, j'ai grave kiffé. Ok, d'accord, Mariam. Maintenant, direction Tawa pour l'écho des régions. En ce moment, dans la ville de Brno on, débutait des travaux de réhabilitation des routes pour une entreprise chargée d'exécuter les travaux financés par l'État au Niger sur fonds propres. Mais avec la reprise de ces travaux en pleine période des saisons de pluie, les populations sont confrontées aux inondations dans leurs maisons. C'est un reportage de notre correspondant Asman Moussa Arzika. À Beninconi, les travaux de réhabilitation des routes ont récemment débuté, répondant ainsi à une attente de longue date des habitants de cette localité. Cependant, ces travaux ont révélé un nouveau problème préoccupant pour la population locale, des inondations dans leurs maisons pendant la saison d'hivernage. Les résidents des quartiers ont signalé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Eh, cikin mutane sun kai fanta ɗin ruwan da za su wucewa su shiga saboda sun shiga gidajen mutane da yawa jiya don ma kayan mata sun lalace kenan kaga dole mu kama abu ne na jama'a a kama jama'a eh to shi muke mata kenan a gyara mana waje ruwa su su zo da can ga hanyar tsirrai da suke ta su tace zuwa inda za su to lalle abin da zan cewa cikin wanga aiki mu dai mun gode wanga aiki alhamdulillah ana muna shi kuma cikin jin daɗi da rayuwa amma abin da an matsalar mu gaskiya matsalar ruwa saboda ruwa in sun kato cikin gidajen mu na sun kan dangalgal akwai matsalar magudanar ruwa saboda hanyar ta zama hayi bisa ga gidaje kenan kaga ruwa babu da za a yi su shiga su ita shi babban matsala gare mu Quelles sont les réactions des autorités communales des Bénin face à cette situation Écoutons Abdel Nasser Abdullahi, le vice-maire de la commune urbaine de Benin Kwani. Haka nan ne, yanzu dai mataki ran na ma shi magajin gari da kai ne ya zo da aka yi waɗancan ruwan ya zagaya tare da su ya gwada musu duka wurare inda ke aka samu matsaloli to da gidajen mutane mun sani saboda wannan tsakuwar da ake sa za ka iske ta ɗan ɗanyo sama kagarwa cikin gidajen mutane ba su samu su hito to ya je da su duk inda aka samu waɗannan matsaloli an zagaya mun gani mun gwada musu kenan suna nan yanzu suna ɗaukar matakai waɗanda ya kamata kuma abinda nake so ma mutane su gane kamar sa'a muka yi menene sa'a shine wannan aikin ya zo cikin damana zon da ya cikin damana wannan shi zai ba mu damar cewa duka inda matsaloli suke inda yake kwantar da ruwa za mu yi amfani da wannan mu ga cewa mun cilasta ma shi wannan kamfani an samu an gyara shine sa'a mu amma da ka ga wanga aikin na ba cikin damana ne ba za a zo a yi wani ba za a gane ba sai inda mana ta zo sai a gano a shi aikin da aka wurin kaga zai bar yana kwantar da ruwa kuma su sun riga sun gama aiki sun tahi su an bar baya da kura amma a wannan lokacin duk inda wani wuri wanda yake kwantar da ruwa ko ko ruwa ba su hita ba su tahiya za mu cilasta su dole mu kire su mu zo mu sa su gyara saboda aikin ya yi kewaye shawa. Salamu alaikum Asuman bonjour. Asuman bonjour. ina kwanan ku. Lahiya lauya ya ne. alhamdulilayi an tashi lahiya. Alhamdulillah. Ya gida ya kwa da kwa. Da dama wallahi. Asman muna so mu sani ya ne si son kin take a yanzu a cikin birnin Kwanne. To lalle babu shakka eh, duk lokacin da aka samu saukar ruwan sama a nan cikin garin birnin kwanni mutane musamman ma a cikin unguwanni na fuskantar matsaloli saboda ayyukan da aka soma a har yanzu domin yin Eh, hanyoyi a cikin gari wanda tuna dai eh, tun daɗewa mutane suna shirin wannan lokaci wanda ya kamata a gudanar da waɗannan ayyuka saboda a samu tituna a cikin garin abin ya yi daidai da an soma wannan aikin cikin wannan damanar wanda zai sa su waɗanda ke gudanar da aikin su ga kuskuren da a akwai na magudanarwa. shi mutane sun samu fita? Eh? Na ce mutane sun samu mafita koya ne? To a hali yanzu dai eh, mutanen yanzu haka eh, a halin da ake ciki suna da mahauka saboda masu gudanar da aikin sun soma yin gotoci wanda zai sa gidajen nasu ba zai cika da ruwa ba kamar yadda zai sa gidajen tsakunan nasu su kwadi. merci beaucoup Asuma Moussa. Bonne euh, journée à vous. Et je profite de cette occasion pour saluer les auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté de l'ADER. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, maintenant, place à notre page e-sport présentée par notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonjour Salamatou. Bonjour Adam. Bonjour Marianne. Bonjour. Aujourd'hui, nous débutons cette page e-sport avec un cri de cœur des jeunes footballeurs de Birning Kazoué de la commune rurale de Gamou, département de Gouré. Oui, en effet, Salamatou, ces jeunes ont évoqué le dysfonctionnement de la structure dirigeante de football, la mauvaise gestion ainsi que le probable dépassement de mandat du bureau fédéral de la commune. Je propose d'ailleurs d'écouter quelques jeunes footballeurs de Bernin Kazaoué qui s'expriment au micro de notre correspondant Ibrahim Abdou Magaji. na biyu kuma yana da daɗin akwai wasu kuɗaɗe da babu su sambata har yanzu ba huddo su ba hallo akwai tjb departamental an kira kazawai biro su ba da sunayen juyar ba su ba da ba ya kamata a rusar da wannan biron saboda babu mata a ciki kenan za a sake sabon biro ya kamata a samu mu ma akwai rawar da zamu taka gashi yanzu muna tsakal ba kansu kuma har yanzu ba a fara bayin turnuwa mu kuma muna zuwa wajen balo ne don mu kashe kwalkwata idanunmu kawai sai lokacin da aka ce za a yi shampiyona sannan ka san kana da yan kwallo sai lokacin da za a samu kuɗi sannan ka san kana da mutane kenan ya kamata a ce ko da mutum guda ne ni karan kaina akwai wasu mutane daga cikin su wanda nake ce musu ku rika zuwa taron ku ga me muke yi su ce to to to babu mai tahiya tsawon tun daga bara babu wanda ya tahi gurin mu ya san me muke balo sai mun saya takalmi sai mun saya fulo sai mun saya da kuɗin mu muke kulakte mu saya a matsayin mu na yan kwallo yau aka ce shampiyona su ne manyan mu su zo su samu kuɗi a sa aljihu Adam, après la réaction des jeunes, un président de club a réagi à son tour. Oui, Mariam, il s'agit du président du KFC, de Benin Kazowe Ayouba El Haji Manzo. Il est au micro de North correspondent Ibrahim Abdul Magaji. abu na farko dai shi ne komai ana yin shi basu tsari kuma basu ka'ida shi biro ba lokaci guda ba ke zawa a rushe shi kuma dalilin da yasa ake so a zo a zamna biro akwai matsaloli a cikin shi to ne muke so a zo a zama a gyara don mu hudda wannan matsalolin kenan ran alhamishi mun sa reunion mun jama'a duka wasu sun zo wasu ba su zo ba muka ce to a daga shi ranar lahadi kowa da kowa ya zo amma me kowa a yi a gaban shekani kinan akwai mutanen da suke so a sake ana iya sake musu kuma biro za a rushe gaba ɗaya ma kowa yana da dama haka ɗin Le MENA U20 a débuté hier sa dernière semaine de préparation inter ivoirienne avec euh, un effectif au complet. Oui, c'est avec l'arrivée en renfort de certains joueurs qui ayant pris part à la Cannes U23 que le MENA U20 parachèvera son stage en Côte d'Ivoire avant de rejoindre les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 8 août en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette chronique. Je vous laisse, chers auditeurs, en compagnie de Salamot Kadri et de Mariam Adé. Merci Adam pour toutes ces infos sportives. Place à présent à notre portrait du jour. Oui, Mariam, il s'agit de Mariam Mahmoudou Jibo, est chargée du programme à l'ONG Femmes, Action et Développement Femmes. FAD. Depuis 2008, Mariam travaille pour améliorer la condition de la femme nigérienne, une expérience riche d'enseignements qu'elle partage dans cette interview. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler, à changer les conditions de vie de la femme nigérienne Depuis toujours, je m'intéressais à la collaboration, au fait de vouloir aider les autres naturellement depuis étant enfant. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'étudier le droit les droits humains, le droit international humanitaire. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, je suis en train de faire ce que je, fais actuellement, c'est parce que j'ai eu beaucoup de soutien, déjà de la part de mon père, qui depuis toujours euh, n'a jamais fait de différence entre enfants, filles et garçons. Il m'a toujours encouragé vraiment à donner le meilleur de moi, aller au-delà. Et à la fin de mes études, je devais faire mon stage euh, dans une organisation de la place pour en apprendre davantage sur les droits. Et par euh, un pur euh, hasard, je dirais, je suis tombée sur l'ONG FAD. Et plus euh, j'étais dans la boîte, plus j'apprenais des choses sur la situation des femmes, sur les injustices dont elles sont victimes et sur tout ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant qu'organisation afin d'aider les femmes. Quelles sont les difficultés que vous avez relevées on rencontre plusieurs difficultés, souvent au niveau des femmes elles-mêmes qui ne comprennent pas la nécessité du changement. Elles sont tellement habituées à certaines situations qu'elles ont peur du changement. Et il y a les hommes, bien évidemment, qui ont peur de ce changement, qui pensent qu'en édifiant, en conscientisant leurs épouses, elles vont se rebeller vis-à-vis d'eux. Souvent, pendant les activités, même, il y a des gens qui nous insultent, qui tiennent des propos qui ne sont pas vraiment courtois. Mais on fait avec parce que nous avons notre objectif. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs stratégies. C'est pourquoi dans dans chaque localité, nous avons des ponts focaux. Nous essayons d'élaborer d'étroites euh, collaboration avec euh, les leaders religieux ou coutumiers car leurs voix sont vraiment importantes. Aujourd'hui, moi-même dans ma famille, je vois tellement de femmes en train de souffrir de tellement de choses que je suis obligée euh, de, de, vouloir impacter, apporter ma modeste contribution dans le changement afin d'améliorer les situations. Quel est votre message mon message particulier pour les femmes nigériennes, c'est vraiment la conscience personnelle. Euh, personne ne va changer les choses à notre place. Il faut que nous-mêmes prenions conscience de notre situation, de notre condition et qu'on s'engage à la changer. Aujourd'hui, chacun a un pouvoir en soi et ce pouvoir est davantage présent chez les femmes au vu de tout ce qu'elles font. Donc, il est nécessaire qu'on cesse de tendre la main, qu'on cesse de vouloir dépendre de quelqu'un, mais qu'on prenne euh, notre destin en main. Merci Farid Bourema pour ce beau portrait. Chers auditeurs, euh, notre tour à musique avec le son Human de Barakina et Ismoan. qui réveille ma folie. Elle est mon soleil de mes nuits. Quand je la vois, mon cœur s'affaiblit. Woman, woman. Beauté africaine la plus jolie. Des beaux trop polie, mais pour me saluer, elle s'accroupit. C'est elle, baka baka, mais comme le robot. Coco ma fara fara, mais comme de délo. Wayo oh, baka baka, mais comme le robot. Ya roba zai wa Africa woman. qui t'aime. tes beaux ma reine. Non, ne me refusez pas ta main. Ton élégance me met en transe. Ton beau sourire me donne de l'espoir. Tu une femme de valeur, t'as des principes. Le bleu son ne te laisse pas faire. Courageuse et indépendante. Crois-moi, t'as beaucoup de qualités. L'ambiance est jovial Le cadre est idéal. Mika, non, non, Anthony, benema richidin no oh, richidin to benema da woyo richidin woman woman woman african woman pas la peine te veulent tous mais c'est moi qui t'aime pour l'autre pour capoter ma reine non ne me refusez pas ta main la Ils te veulent tous, mais c'est moi qui t'aime. Pour l'autre époque, pour tes ma reine. Non, ne me refusez pas ta main. Barakina, Baran Allah. Ismaël. Mando Barakina et Ismouana. Mariam, faisant place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui parle de choléra. Sali, c'est la saison de pluie et l'hygiène doit être au top dans chaque maison au risque d'attraper le choléra. C'est pourquoi dans le loti du jour, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt cette maladie qui reste une menace pour la santé publique. Samira Rouafi et Salamout Kadri. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. alaikum sadiya ni gono he wa alaikum salam hannatu nin no bisimilla me hey farino ni fun son cin zaro wora a ayye ka dai kwai ne kai go ka idi ni zo ta gai aggo sagyo ga hani windo banda matkin seno te ganan wane dum gati kwai matakan aidiya da manti wane ti sintina eh ni mu hannatu tuni kan ga zan kai bai ai wai zan kai si babun bonin gai mu goida salanga kan goyun ra wudin sai nai mo ga faida im koi ga gai muradu tarai mi sai dorandi haba sadiya wane man ta gai hari nome nik bai hankan wani ginga kande dai ifono gin lakkal tunandi hei kai di yara nir gobo wani dirgan kan gono haro bisanda hannu ko ya kai kunnon sigar ni fanda bo yadin mono irgo kai di yara amma wane dano ti dalilo kan ni men himgana ni zan kai misagyo ga man ti salan gaira aha se gunni window bangu gana go. ni zan kai go sagyo ga yadin ga ga yin koi tono din bango ga da bangu tono din mu ni be kan aga hago saga da wadin kaga temo ga kunno kaga bagan da kolera ai bu hayir koi kolera o oh, kolera koi ne man ban igum go hinni ga gun kan ni batta ga zibin da tasi zibainiya ne hagai hamnagi bongdo ne hagai mo har zibi kiman munu ha to gune to son gune irim sambu hamnai wo im koyri lamba kwara bandaga im ye kari lamba gan kan bai dagan jinai ga aran jinai kunno ga sarme he ai sing ba faman din sai sandai kaga yin kan dagan sai sandai ha sandai dai sai no irgo zuru dai ifono ga kata borga kolera kolega wo borga no bogai da cara gamaga walmo irwin dantara nigdi matakan nig teg be kan kolega go borga boga so ga bani bani te boga gunda ga zakai boga inga san modin na har zibo han nidimo dori zai kweglan bok tele ga wadin ganan bok tele mu kankam hayadin mo ga ingta sabili kan boga jan inga ga hamu haro litir wai dugu walwagan klasa bai zari kulu ko ni sadiya dini zai gonda alamai wo sori bano yeri walmo bintai magurge kwandai loktar kwara kan ga manu kauya ga da man da ne dogo wadana bordi diman wasi ga bora safar a hinga borwi lokaci kai ga subhanallah he wai bongo bubun bono wone kul gano ai sibai mata no ai gite ga wada colorado ro sintina gano window him ga hanan ga him ga kan kai kai kula am bori ga mu ye goi da salan gai koi ne kan ga mogun da hagai ki ga hando ya dum mono wari tayi karan ganwa aga min nyuma am bori halagan ginwa ya dum mono dingo hinama nan wago munini halagan ganwa hey hannatu ai sai mata gin bananda ma da gwai da bon fera wa kan nekka taga ton tan ai zam zamdu manta tare singa baba ai kan gadu inda almiyalo man kulno da boy go chak bandu wai himgi ga gaksi nay ko ni mu aga himgi tela bori. zami dubori kan ga dogi zogo kwaga woga zagal laikal kauye da ya dinga yi himga hagoy dikbo wodin musillakkal tunan di kun me daino ay ga yadda zan kai fatta koy gi tarai ko inda manti salan gabo ya din mono kaina kaina fo kulu ay gina irin mir kambanyum don wadu ta yakir gun wadun gurai da mangai da mai kula ay gina irin min yum alim buri irin mu duginwa ya din mono har dai gorka sina ay koy salan yisi to madalla wane bisami to ai wakka to ay kwarai be dai zan kai gono din gai to eh hannatu to zaron buri manai gifo mu fonda goy mu da kokaro hannatu musu dirga nay ba dono le lot du desk du studio Kalangu. Suivons maintenant Alassane Abdou pour la culture linguistique. Le mot du jour est calendrier qu'il va nous expliquer en german. Bonjour Alassane. Bonjour Salamatou, bonjour Adé. Alors aujourd'hui on a choisi le mot calendrier parce que vous le savez très bien, c'est le premier jour de l'âme musulman et qui parle de calendrier et parle aussi euh, de cette journée importante pour tous les musulmans du monde. D'abord, c'est quoi un calendrier Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps. Un tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. Donc, le terme calendrier même en tant que tel vient du mot calendarium qui signifie livre des comptes. Désigne un document contenant une longue liste d'informations, des jours, des semaines, des mois, d'une année donnée. Il s'agit d'un système de division du temps pour faciliter le repérage des dates. L'année est en effet subdivisée en mois, puis le mois en semaine et la semaine en jours. En général, le calendrier est sous forme de tableau. On l'utilise pour beaucoup de choses, mais parlons de la journée d'aujourd'hui, le calendrier hégirien. Ou calendrier islamique est un calendrier lunaire synodique non solaire

alwattu ngo tirawo iri iri no gono andu ñara arsilamay wono gono annasare wono gono annasare wono ramo gonda afuyen koyne dum alkason se wono gono ifo faut seno irga ba irko, irko sala harkanga ti zari woni obo irko sala harkanga ti sanni zone bon kanga ti eh, alwato ngo tira ka sigine calendrier zama hunkun zariño zari sintina n'o kan ika har ti arsilam tari won zarura za alusalam tari won jiro zari sintina tu hun kuna iri himindin bai kan kalandiriye wo kigi na nasar sanniga wala alwatu sokonyo won tirawo iri himindin bai ka agonde ngana fa ngono go dukina irin bai hun kuna cinnono suba talatano subi siya larbano han filan alzumano hun kuna hamde filan ranirgo bambanino waizen ranirgo kimsi ranirgo wani mo harga kasu am kirse in kun jiro ya kinno jiro ya kinno jiro ya kinno amma fayanki yango har kangati annasare wana kabiyanya kigite iwana alwate sokoniyo nda arsalame wano gamara agato jirbochi nufukange fayanka arsalame wano isu goyda kala chino chino hando hando ni goyda anasare wano waina waina no woni sabbu seno irka ka saranga bombore mu fam kabai bai matno sokoniyo goda ifoti nafa dulo kolis goni sai ka den sokoni yante kanga dukuna mbe wasfone ge yone te yo fono ga sizar filana matnegti dugwe terino Merci à pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, ou Fulfulde, n'hésitez pas de nous laisser un mot au 82 89 89 64. Sali, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. a yi magaci ya da mi da ki gabai da cin ba makka da don donkari ballara studio kalangu fa karai irgogin ya hangana alwatu kulu irgoga ma studio kalangu ya kan da nabare ya kan da bon ferayyan alan da ya kan da kiti fonda yi faman da yan borai sai irgogin ya hangan irgoga mara irgoga kan da na fazan irgoga borai bon feri irgoga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgoga goye ta dawo imagaban da ga irko makamu da ngise go am koy da jina irman di go ga dai kadai hankan ga himan da burmun ware dai irko matantoni sai i igo yi mu da gina jina tina jina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koi kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu hadiz mamma nan da dai nake shato balle yara eh, ina sauraron shi yanzu to ni da cikin shirin nasu da suke yi dai a cikin wa'an waɗanda na saurara su kai ga mata su tashi su yi tsaye su nemi sana'a ni shine ya burge ni tunda saboda yanzu mutane suna cikin zamani ne wanda ya zamanto komi na da tsada a rayuwa kenan in an ka ce a tsaya a dibi maza su kadai su doki gida kuma harkar na akwai matsala tunda saboda yanzu mutane gaskiya kuɗi ba na yanzu ba wani albarkan kirki gare su ba tunda kai ka tai ka ɗauki kuɗi gashi nan gudan da yawa ka je ka sai abu ma sai ka gani ga nan ka ɗauko shi a cikin hannu kenan dole mata su tashi su yi tsaye saboda a taimaka ma diya mm, tunda diya to ni da cikin wanda shiri dai wanda da hibirgen dai shi dai ne to bisa ka abin na sani dai yanzu saboda wayan kan nan da ake maɗiya mata shi ma ke gani wani babban alheri ne tunda saboda mutane in su yara suna shorare suna ɗaukawa mu duka abin yana taimaka mana da bisa kai ga harkar ɗiya maza mm. wajen kamar bara labaru mm. eh kamar to bara labaru dai abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa wannan shi ma an mutum na shoraren shi dai akwai abin da kake saurare yana taimaka maka in dai in dai lalle ka na shurara ka ɗauka akwai abin da ke taimaka maka tunda shuraren labarun na ma shi wani babban alheri ne saboda ko su abubuwan da baka sani ba ga shuraren labari kana ji jin shi eh to in ina da mutane wanda zani gaidawa kai lalle tunda nan ga ina da wata uwa ta ma radio da lalle take aiki ita ma zara mai naram sunanta mm, tunda ta saba zauwa nan ga ta aiki tare da mutane wurin ga ita ma lalle ka ina aika gaisuwa na a gare ta saboda ina jin daɗin rayuwa a tattare da ita ai ma bi hajar abdullahi kan go balle yar shato ai ga hangan karanguya. karangu sigire wo kan ga kanai se sigir kul kan ai ma sanu kul kai ma radio fo bon man ji kalangu mrane ma kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai ma ranan go fono kalai ma hangan sigiyo kalunga imine hebu hanga dai mara sigiyo kalunga ne wuki yadda wodu no nangai wo ai fonda ki ga gan timu fonda no nan ai wo halho kan ina da halho do futta ge sigira ki bon fere ki futta ge no do wondi yai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan no salan sai da mi hagwai dingai ba fu ne matki da kulu an gai no na kana si korai do mo halho hayya ngai do har zangai food way wai hayya mata ki te bendi dan ngai hayya ngai ke gamara ki na ni ki te si halho ngunu na ai aka kana si wodi yan kuli gaci ngunu na wallahi ai aka kana nese oh. iro ki gite guru wacin du oh, ai go sigir fo hangan oh. ni sur kalangu ya kare se gum gum gum sigiro hangan ba ga salan futa gai bonna ga salan don na ga asenu ai ga to madalla sintina dai ay gir president to kankin ya loga fo ay ga mala ma fo halho ay ga bero nya fo ngamo halho ngamo iri hanga siniyanno ikulu go balle yara ai ga ra jo kalangu bara me da me mu ai gifa gibani ha Merci chers auditeurs. À présent, une dernière balade, une dernière balade musicale avec le titre Amin Nobere de Kaidan Gaskia. Kaidan Gaskia, ça fait un essai de la pour la validation de la profession enseignante là-bas. Dieu, il est temps de cogiter et de bâtir le savoir à partir des connaissances des disciples. Yeah, Dieu, ce son est pour les enseignants. auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en compagnie de Salamatou Kadri et de Mariam Le rendez-vous est pris pour demain. La technique était assurée par Bunga la star et la fantastique Fanta à l'édition. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Excellente journée à vous. Bye bye. Bye bye.